nga xam euh, euh, la commission euh, bu nationale de recensement des votants dim dafa daal joxe li nga xam que modi résultat Ousmane Sonko da si génn li nga xam que modi vainqueur vainqueur pas justement de surprise jëmale si ki nga xam que modi Ousmane Sonko euh, au-delà si euh, le journaliste wala kon le constitutionnaliste di ki nga xam nekk mu di La Sylla dafa dal di ñëw. Arfan critique lu bëri concrètement il y a beaucoup d'irrégularités exactement il y xam ni la euh, CNRV daal di def mu noonu daal di li nga xam que moo résultats yi euh, benn ni euh, aucun représentant du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice ne devait y être convié Madame, quel teew le ci ministère de l'intérieur Quel teew le ci jóge ci ministère de la justice beaucoup itam benn irrégulalité bi nga xam ni la deuxièmement euh, nous avons relevé quatre magistrats avec le secrétaire général de la cour d'appel au lieu de trois le magistrat désigné pour remplacer le premier président de la euh, CA de Dakar ne siégeant qu'en cas d'empêchement de ce dernier troisième bi euh, bi les représentants des candidats euh, ou de liste de candidats font partie de la CNRV ils peuvent formuler des requêtes sur lesquelles devront statuer les magistrats euh, il ne fallait pas entacher la victoire de la démocratique par méconnaissance des procédures La ni commission bi xamul li que moo di procédures yi da ko exactement loolu lépp ki nga xamné que moo di Ndiaga Sylla daal di koy yëkëti avance li nga xamné que moo commission bi nga xamné itam mo résultat mais l'essentiel résultat détails yi di see gën am solo exactement Arfan jàpp na ni nak euh, danoo daal di li nga xam ne que moo di salfaañe euh, démocratie vector loi oui mais xamou xamoo Ndiaga Sylla bu waxee loolu tamit. Hmm. Euh, il a c'est quelque chose peut-être. oui mais mais pourquoi mom jéemul approcher pour pour mom lu mu wax ni tay ñu bañ ko ñu bañ ko mu bañ mu bañ produire. maintenant ñoom au Sénégal ah, on sait non non non xam nga au Sénégal xam nga au Sénégal on sait on sait tous comment ça se passe on sait tous comment ça se passe. Mais madame, nit non la mel. daa bëgg ñu woo mais c'est comme ça C'est ça a toujours été comme ça avec l'ancien système mooy madame, nit dina xam dara day toog bu affaire yi am mu dem ci télé. dina non lii c'est est irré irré di continuer citer les irrégularités dina non lii baaxul lii def nañ ko respecté wuñu la procédure normale respecté wuñu lii comme ça dinañ ko bàyyi xel ne ko kaay. Ça a toujours été comme ça. Mais pour la prochaine fois, il va peut-être. D'accord, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Il l'a dit. Maintenant, nous sommes le bar, le Nous ranger comme ça, Nous bagnons répéter les mêmes erreurs. Hmm. Maintenant, il ne faut pas voir que mon, Diagasila Wahna, tout ce qu'il a dit dans l'ensemble, c'est pas bon. Je ne suis pas d'accord. Mm. Diagasila c'est aussi quand même un expert électoral, électoraliste. Donc, c'est un expert électoraliste. Mon hmm. Diaga hmm. na autorité yu le ndax bu ak le am wala bu le mom que Sylla le mu le wax le am hmm. nañ ko le le corriger nous subaa ñu les mêmes erreurs. Hmm. man parce que fait aussi partie de la démocratie. Mom, donc nous sommes ni la Sénégal bi bu faites ñoom lu Sénégal hmm. donc <laughs> on est preneur les Sénégalais sont preneurs là où je suis pas d'accord vous faites nit dina wax ben wax ba parti pris nga xamni ni que kii lii moo parce que dafa far fële ci opposition bi wala dafa far ci pouvoir bi maintenant bu fekké dafa wax parce que Sénégal moko ñor autorité yi gis dem ba gis ni que lu mu wax amana peut-être euh, euh, euh, c'est la réalité. Hmm. donc nañ ko jël corriger ko rapidement. Hmm. daal di jàll ci lan man exactement alors ñu nous il li nga xamné que modi résultat yi pas de surprise li nga xamné que modi passé Pastef ñëw ak 130 ci ay sièges concrètement. Euh, oui mais c'est tout à fait normal ça ça ça a déjà été pressenti. <laughs> même les tendances si les les médias euh, au soir du vote. et on hmm. ngay xam que Pastef a raflé tout. les hmm. gens même des c'est la première fois d'ailleurs au Sénégal que tous les journaux au Sénégal ont titré de la même sorte. Hmm. c'est la première fois. c'est la première fois pendant des années et des années les gis tout au Sénégal même journaux ils ont le pouvoir nangu ni que am j'ai fait le constat j'ai parcouru tous les journaux le lendemain le lundi le lundi 25 le lundi 25 j'ai parcouru tous les journaux pour ne serait-ce que djema khol titre titre mais c'est la première fois qu'on a, qu'on a rendu compte ni qu'on s'est rendu compte excusez-moi ni que tous les journaux qui font la presse écrite ont titré de la même chose la même chose. Rajia, Ousmane Sonko a tout raflé, Ousmane Sonko, le pasteur a tout, il les a laminés, tout ça. C'est la première fois. Donc, Motamanela, ça, ça, ça a déjà été pressenti. Bala la commission du de recensement des votes, m'a publié Kodembo. Hmm. donc sénégalais xamoon que Pastef a raf a rafle tout. je hmm. vais paraphraser tout euh, comment il s'appelle maître El ba mu koy waxee ba léegi gars yi jël ko def ko montage est-ce que xam nga ni wax jooju ci Macky Sall la ko waxoon. c'est pas élection yi di. ñu bëri dañoo yaakaar ni que vidéo bu bees la. mais El Hadj ba muy wax loolu nga dem Koungheul mu jël lépp nga dem mbuur mu jël lépp nga dem Thiès mu jël lépp nga dem Saint-Louis mu jël lépp nga dem Ziguinchor mu jël lépp loolu ci jamono Macky Sall la ko El Hadj Diouf waxee woon mais comme parfois les vidéos day mel nii contextualiser eh, voilà vidéo actualiser vidéo mais ni ay vidéo yu bess hmm. moo tax la dama koy. xaw a oh, paraphraser euh, euh, euh, tuuti. boo xoolee ci élection yi. ñu arrêté suspension ko par rapport ak li nga xamné que modi limu am ni par rapport ak ces ces trente ces cent trente ces ces cent trente députés. Mm-hmm. Arfan Ousmane Sonko da nga jàpp ni est le maître du jeu jamono ji. oui mais Ousmane Sonko a toujours été le maître du jeu depuis l'élection présidentielle passée, passé même depuis l'élection élection législative élection locale 2017 mm. mm. élection législative élection législative 2022 Ousmane Sonko a toujours été le centre du jeu il a toujours été le centre du jeu l'élection est passée il est le maître du jeu il a toujours été le maître du jeu on est la nouvelle classe politique au Sénégal politique Sénégal jamono Bini mais c'est Ousmane Sonko qui est, qui est le patron de la politique sénégalaise, Yamano Je crois que toutes les parties, ou bien tous les partis, l'acceptent. Quand je dis toutes les parties, moi, madame, les, les points composantes. Quand je dis les partis, tous les partis, moi, madame, les partis politiques. Mais quand je dis toutes les parties, moi, madame, les secteurs composants. Hmm. Donc tout le monde accepte aujourd'hui que c'est Ousmane Sonko qui est le patron de la politique sénégalaise. C'est la réalité nga accepté ko loolu moo am nga bañ ko loolu moo am te mënoo ci chiffres parce que chiffre moo tax ñu wax ñun dañuy waxantu. Mm. waxuñu ko parce que le visage de Ousmane Sonko nous plaît waxuñu ko parce que Ousmane Sonko jantal boy la il nous plaît non non non on a interrogé les chiffres pour le dire boo interrogé les chiffres tu sens maître que Ousmane Sonko, aujourd'hui, il est le patron de la politique sénégalaise. Il est donc le centre du jeu. <laughs> donc, pour répondre à ta question, hmm. Alors, Quand il est faiseur de, roi, Ousmane Sonko est faiseur de roi, de notre élection présidentielle. de, 2024 avec soit Boumou, soit Balamou Soazir Diomaye, qui est parrainage, il a dit il faut aller parrainer, comme euh, comment la liste 111, mm. je ne sais pas, 111. Mm. Moi, madame, le numéro de parrainage de Dioma, c'est 111, non mm. Mais Ousmane Soko, quand il a dit, Demlengen parrainer 111, mais on, a vu le partage de ce numéro-là dans les réseaux sociaux. Sénégalais partagé quoi. amène nous donnera même di joxe 1000 francs pour parrainer parrainé. Nga joxe sa carte d'identité parrainé ba paré nga tégalé joxe 1000 francs. l'on on l'a jamais vu Sénégal bu ne On l'a jamais vu. Son Senghor même, qui était, <laughs> peut-être, le père fondateur de la nation, Senghor même, Moussouko Am. Senghor Moussouko Am. Abdou Diouf Moussouko Am. Ablawad Moussouko Am. Macky Sall de jógee fii barke Demba Ndiaye Macky Sall mosu ko am ay nit di la parrainer ba ba pare tek ci alors c'est clair. donc moo Ousmane Sonko c'est le génie aujourd'hui redoutable et incontournable incontournable dans la politique sénégalaise. Les mm. sénégalais war nañ ko accepter tel euh, tel qu'il est. Mm. ñu bañ modifié. ñu modifier c'est ce qui se passe avec les chiffres. Ah il est faiseur de roi. donc il est le maître du jeu. alors c'est clair exactement Mais non, par rapport ak ki nga xam dit Ousmane Sonko euh, démb nag am li nga que 130 députés exactement alors. Nous avons aussi ñëw si du côté de la régie euh, Babs euh, ginnaaw euh, par rapport à Ousmane Sonko nous mu première certes génn première mais enfin, aussi.